le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passe de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radios partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozirine, Bouza, Tamaske, Mainesoroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel, Sai, Tanout, Madawa, Dakoro, Dogonduki, Walam, Tera, Ngingimi, Kablewa, Kwarategi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit au total 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est un focus sur les anciennes gouloirs du Niger. Que sont devenus ces Nigériens qui ont hissé haut le drapeau national à une certaine époque Pour répondre à cette question centrale, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau du studio Kalangou, le champion de boxe Issa Kadabore, premier africain à avoir arraché une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Issa Kadabore, bonsoir. Bonsoir. <laughs> Le champion du cyclisme Abdou redouté dans la région, il a d'ailleurs été surnommé le génie de la lagune du bois flé par les Ivoiriens après euh, sa chute spectaculaire dans la lagune mystérieuse du bois foulé lors du tour euh, du café en Côte d'Ivoire. Abdou Jibo, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le doyen Yajidogo, enseignant à la retraite, comédien, écrivain, bref, homme de culture tout simplement. Yajidogo, bonsoir. Bonsoir. qui Isaka Dabore Ah, si on dit Isaka Dabore, je crois que presque tout le, Nigeria qui est né en 1960, il, va compter Isaka Dabore. Parce que dans le temps, je ne peux pas dire que je suis, champion du monde, mais en Afrique, je crois que mon adversaire qui va, me rencontrer, c'est l'entraîneur qui va, qui va lui dire c'est Dabore. Il ne fatigue pas, il ne laisse pas reposer. C'est-à-dire eh C'est-à-dire que dès la première room jusqu'à la, la, room, je ne m'arrête pas. Vous êtes un champion ah. alors. <laughs> Infatigable. <laughs> oui, c'est qui, qui m'a donné ça. Mon premier étage à l'Institut national de sport à Paris. Papa Osé m'a dit Mon fils, toi, j'ai vu que tu, tu, es courageux. Je vais te donner quelque chose. Si tu tiens ça, je vais attendre ton nom. Il Je vais. Il m'a dit Bon, il faut essayer de te, de casser à l'entraînement. Ton corps là, il faut, faire une que tu ne veux même pas avoir ton corps là. C'est ça. Depuis à ce temps, depuis que je suis là à à 4 h du matin, je me lève. Je vais me foutre à 4 h du matin, je, je pars, à 6 h je reviens. C'est à cause de ça, partout, je rencontre à mon, à adversaire, son adversaire, même qui est ici d'abord, il ne fatigue pas, il ne se laisse pas reposer. Alors, alors Issa <laughs> euh, comment êtes-vous arrivé à la boxe euh, ah, j'ai un camarade, Dorusan Holi. Allahu Akbar, il est, il est décidé. C'est lui le, premier qui a commencé à pratiquer la boxe. Il est Nigérien, c'est un Nigérien C'est un Nigérien. Avec M. Euh, Monsieur Bontan, du Crédit Niger. C'est lui qui a commencé à ouvrir la boxe au Niger. À ce temps, moi, je suis ami à Dodo. Lui, il, était avant moi. Mais, lorsque il m'a dit, il m'a dit qu'il faut venir, on va, s'étranger du moment. Bon, toujours, il va, venir. Un jour, je suis parti. Dès que j'ai commencé l'entraînement, c'est tout. Je n'ai pas arrêté encore. Mon premier combat, j'ai commencé l'entraînement de la boxe. Avril 58, décembre 58, j'ai fait mon premier combat international contre un certain Belma de, de lui, 56 ans, il a perçu un, tournoi en France. Il m'a battu, c'est eux. Mais il a dit que l'enfant là, dans deux ans, son va avoir des problèmes. Regardez, depuis assistant là, jusqu'à 72, on les a ils ont mais je ne sais pas. Je ai demandé un à quelle catégorie il est. On m'a dit là, je suis descendu de la catégorie. Dès qu'on est monté, je, on a récupéré les Nigériens, je suis venu, je suis monté sur le, la bascule, il m'a dit, il a, a fait. Ah, il y a personne, et lui. Et puis après, on a dit le super léger et, il a monté. Ah, il dit, bon, je sais bien, que je vais, je vais, je vais venger ce qu'il m'a fait ces eux-là. Ah, la première je, vais battre en KO. Alors, quelles sont les différentes euh, médailles que vous avez eu à engranger au coup Mon premier médaille, c'était à, Abidjan, j'ai eu euh, médaille de bronze. Mon deuxième médaille, ne peux pas me l'appeler. Je sais que j'ai porté à ce temps un, médaille d'or. Alors, on va passer la parole à ah. Abdou Jibou. Abdou <laughs> euh, pourquoi et comment vous vous êtes euh, engagé dans le cyclisme Je me suis engagé dans le cyclisme. Il y a les gens qui font, je regarde en ce moment, en ce moment, je dis, mais cet sport-là, je vais essayer. Parce que à mon enfance, j'ai un vieil vélo je vois là-dessus et je retourne. Donc, euh, il est en train de faire une sélection. J'ai dit, bon, je vais essayer d'aller. J'ai été, j'ai marqué mon nom. Ils ont fait les sélections. J'ai passé. Le jour-là, je n'ai pas classé premier, mais j'étais troisième. La première sélection. Et ils vont sélectionner jusqu'à dix personnes. J'étais troisième. La sélection, ça, ça se faisait pendant trois semaines. Ils ont fait aujourd'hui un dimanche, il faut encore une autre dimanche. Donc les 30 personnes là qui vont jumeler encore pour avoir des 10 personnes, pour garder les 10 personnes. Donc la troisième sélection, on l'a fait. Le jour-là, j'étais classé premier. Le même jour, moi, Brandao m'avait donné une vélo de course. C'était qui Brandao Brandao, c'est un blanc, c'est un français. C'est un entrepreneur qui est, ici, qui basé ici. Il travaille avec Kunchi. il est militaire militaire française et ils ont travaillé avec Kunti. Donc, Brandao m'avait donné une vélo de course. Le vélo de course, là, j'ai monté une semaine. La deuxième semaine, nous avons dit à une course qui vont à Karma revenir. Mais moi, je suis dans le grand. Il dit, arrivé à Karma, à Karma, je pour monter dans le vélo parce que les autres sont anciens, moi je suis nouveau, il dit il ne faut pas se Dieu maintenant. Et arrivé à Karma, le tour qu'on va faire, le, à Karma même, on va faire le demi-tour, j'étais deuxième personne. Dans l'ancien, il dit non, non, non, Jibo, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. J'ai continué. On est arrivé ici, à la place de la concertation, j'étais classé troisième dans l'ancien. Il dit, mais ce petit-là, il a d'avenir. Donc, il faut l'entretenir. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé dans le cyclisme. Il y, a, une fédération en ce moment. Le président de la fédération, il s'appelle Koulbali. Euh, Koulbali Traoré. Il est chef de personnel de SNTN. En ce moment la SNTN existe. C'est lui le chef de personnel de là-bas. Il y a le club SNTN, il y a le club Brandao, il y a le club Sharp Chefao, il y a le club euh, Dragage. Il y a plusieurs clubs. On se rencontre. Il y a les jours d'entraînement. Il y a les jours individuels, comme l'a dit Isaac d'abord. Moi, je m'entraîne individuellement pour moi-même. S'il y a une sélection à faire, c'est la fédération qui fait la sélection dans les équipes que j'ai citées là. Il prend le meilleur, meilleur, meilleurs. Et le groupe, C'est en ce moment que les fédérations prennent ces gens-là en charge. S'il y a une compétition internationale, quoi. Mais s'il n'y a pas une compétition internationale, tout le monde est, dans leur club. Mais le samedi, dimanche, on se rencontre à un endroit pour aller à l'entraînement. Doyen, quand avez-vous commencé le théâtre Dire quand vous avez commencé à faire du théâtre, moi je ne peux pas savoir parce que je le faisais, mais je ne savais pas que je faisais du théâtre. Comment ça C'était à l'école primaire, ça à l'école primaire, dans les années 48, 49, 50, jusqu'à 53 à l'école primaire, chaque année qui finit, on la finit avec une fête qu'on appelle fête scolaire. Alors, à l'occasion de ces fêtes scolaires, nos enseignants avant, ils nous préparaient pour organiser une fête. Ça se passait le 13 juillet, je me rappelle très bien. C'est chaque 13 juillet, la veille du 14 juillet. On fait cette fête devant le commandant de cercle, un, Européen, et c'est à partir de cette fête maintenant, on dit demain vous partez en vacances. Mais il faut partir joyeux en vacances. Alors on a organisé ces fêtes-là. Ces fêtes-là, qu'est-ce qu'il y avait au programme C'est des chants, des sketchs, c'est-à-dire des scénettes. Il n'y avait pas du théâtre, mais c'était des scénettes, des petites pièces de théâtre pour faire rire, pour amuser, pour sensibiliser. Et depuis ce temps, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé. Et entre-temps, il y a eu encore euh, un mouvement qui est arrivé à Duti, c'était le scoutisme. C'était à la mission catholique de Duty. Je ne suis pas élève à l'école mission de Duty, mais je suis à l'école publique. Mais comme le mouvement m'intéressait, je me suis fait inscrire là-bas, dans le scoutisme, avec un certain enseignant, là, Paul Yugubari, un gars de Coupé, là. Donc, c'est lui notre chef. Donc on a commencé, je me suis introduit dans le scoutisme, ça m'intéressait beaucoup, parce qu'au fond, le scoutisme, c'est quoi C'est un mouvement de jeunes. Il faut s'amuser, il faut se distraire. Alors à l'occasion de chaque sortie, parce qu'on en faisait les samedis et les dimanches, on va par exemple de Douti, pour quelqu'un qui connaît la région, on va à Togon, on fait un demi-camp, on va à Argoum, on va à Ahouré, tout ça, on faisait nos petits camps là-bas. Et durant ces camps, on organisait des jeux, des scénettes, tout pour des Alors ça, vraiment, ça me plaisait beaucoup. C'est depuis ce temps que j'ai eu le goût de faire du théâtre vous étiez le plus connu au Niger dans le domaine de la comédie théâtrale à travers notamment la télévision nationale Télé Sahel en étant enseignant de profession. Comment vous conciliez ces deux activités Très bien. Bon, c'est vrai, c'est le théâtre qui a fait sortir peut-être mon nom. Mais j'étais aussi un enseignant. Je ne veux pas me flatter, mais J'étais un enseignant quand même, ici à Niamey même. Le, théâtre, je le faisais parallèlement pour occuper mon temps libre. Parce qu'en ce temps, à Niamey, il n'y avait que le football, le basket. Et ça, c'est là-bas que j'ai connu les Dabouré, la, boxe, <laughs> les Abbas et autres. <laughs> Quand je me rappelle d'Abbas et lui, l'homme de, la Côte d'Ivoire, là avec son plongeon. <laughs> Donc ça me rappelle beaucoup de choses. Donc je disais, le théâtre, je le faisais parallèlement c'est-à-dire c'est samedi ou dimanche. Au lieu d'aller, par exemple, regarder un match de basket ou un match de football, je dis, mais avec mes propres élèves et quelques enfants du quartier, le nouveau marché là, c'est là que j'ai démarré avec les, les, enfants. Quand je suis revenu des études, c'est peut-être la première fois que je veux le dire, j'étais un très très très excellent sportif. De quelle, quelle discipline et Les disciplines, vous avez d'abord la course là les 100 mètres, les 1500, les coco, tout ça. L'athlétisme. Oui, l'athlétisme, c'est vrai. Et ça, c'était en haute volta. En ce temps, c'était haute volta. Dans notre collège, j'étais le seul, pour mémoire, chaque jour, avant de rentrer en classe, le soir, on rentrait à 15 heures. Mais je viens avant 15 heures. Malgré la chaleur, il faut que je fasse les 10, 15 tours de notre stade avant de rentrer dans la classe. Et à la sortie, je faisais la même chose. je suis devenu un dur en ce temps. Il y avait un moment avec la course, là. on faisait venir les collégiens de Koudougou, de Ouégouya et de Bobo qui se retrouvaient à Ouaga pour rencontrer notre collège, le collège de la salle, et il y avait encore l'école, l'MPA, l'école préparatoire militaire, et puis il y avait le collège Kadjangouda. Mais quand j'ai fait mes premiers pas de la course, on m'a fait courir avec des gens plus âgés que moi. Moi, je ne savais pas. Moi, il faut courir seulement. Il a fallu l'intervention d'un entraîneur français qui a remarqué que j'étais le plus jeune du groupe. Il dit, mais vous allez tuer ce gosse-là. Lui, il est minime. Vous le faites courir avec des seniors. C'était mes grands frères. Et je les battais. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à qu'il est arrivé un jour, ça je me rappelle, j'ai noté ça quelque part. Je suis arrivé au stade à côté de chez le Moro à Awaga. Quand on a appelé, on a sonné la gring, gring, gring, les coureurs de 1500 mètres en place, je me suis retrouvé seul. Il n'y avait pas d'autres concurrents. Une fois, deux fois, trois fois, on dit, monsieur, vous gagnez la partie. Il n'y a personne pour courir avec vous. La troisième fois, c'était la même chose. Alors, il a fallu un jour qu'on envoie une lettre aux collégiens de Bobo pour leur dire de venir. Il y a un cross-country. Alors, il y a un d'entre eux, non, non, non. Il demande, est-ce que le Nigérien qui est au coureur de la salle, là, il fait partie on lui dit oui, dit non, nous on ne vient pas. On dit pourquoi non, mais vous allez nous faire courir avec des gens qui sont habitués à courir derrière les chameaux, les Nigériens. ils voient que nous sommes en train de courir toujours derrière les chameaux, c'est pourquoi nous sommes champions de la course. Donc j'étais seul, seul, et je n'ai pas couru. Maintenant, quand on revient au volleyball, c'est pour la première fois que je vis jouer le volleyball à Ouaga et on n'était vraiment pas des experts. J'étais avec euh, mon feu camarade Zakari Gerba, qui était à la chambre de commerce, qui parlait souvent à la radio. On était de très bons éléments en volleyball. Nous sommes arrivés à Niamey quand on a fini nos études. Il m'a dit un jour, viens, on va aller faire un tour au stade. On a fait un tour au stade, on a trouvé juste le volleyball a démarré ici à Niamey. On a observé. Le lendemain, quand on est revenu, on dit, bon, mais Zakari, on va se mettre parmi les joueurs. C'était des fonctionnaires. Nous aussi, on était fonctionnaires parce que maintenant, on vient de commencer la carrière de l'enseignement. Alors, on a joué une fois. J'ai vu les autres parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils dit mais ces enfants-là, d'où viennent-ils non, ce pas des, enseignants. Ah non, non, il ne faut pas les accepter dans notre groupe. Pourquoi Parce que eux, ils voient que déjà nous sommes en avance sur eux. Donc il ne faut pas qu'on mette des gens qui connaissent déjà plus qu'eux, parce qu'eux n'auront pas de place. Ils nous ont, ils nous ont, a décidé, écoute, un tel, on va laisser. Ces gens-là ne veulent pas qu'on joue. Ils ne veulent pas qu'on joue. Et dire que notre équipe du collège de la salle, toute la haute volta, partout où on passe avec euh, notre équipe du collège, on remportait, on remportait, on remportait. On, on joue très bien, ce n'est pas pour nous flatter. Vraiment, on joue très bien. Parce qu'on avait la chance de jouer avec les professeurs, nos propres professeurs. C'était des, des, chers frères, on les appelle des chers frères. C'est des frères religieux au lieu de prêtres là. Eux, c'est des frères on dit cher frère. Doyen Yajidogo, à votre actif, vous avez combien de pièces théâtrales aujourd'hui Alors, je n'ai pas compté. Ce n'est pas que je suis nul en mathématiques, mais je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté. C'est pour vous dire que c'est vraiment beaucoup. Vous avez consacré toute votre jeunesse, euh, votre vie active pour le rayonnement de l'image du Niger. En retour, qu'avez-vous gagné, Issa Dabouri La maison où je suis aujourd'hui, c'était 1900. 68, je veux participer aux Jeux olympiques du Mexico. Que euh, un camarade m'a dit, d'abord, il faut essayer de, trouver une, place pour toi-même. C'était un samedi. Je me suis levé, je suis parti au président. Je pars au président, personne ne me dit où tu vas aller. Je suis venu, je suis passé, je suis passé, je vois le... C'était à l'époque Jory Jory, C'est lui qui... Il y a un ami là qui est là, il lui dit, voilà, vraiment, tu viens de chercher. Aujourd'hui, je suis c'est mon, grand frère. Je sais bien, déjà, je me suis marié. Je me suis marié. Je sais qu'il au moins, d'ici deux, trois ans, au moins, ma femme va accoucher. Et puis, il faut que je, trouve un, endroit pour moi-même. Vous avez pu rencontrer Jory Jory, oh, ouais. Et puis, le, jour-là, moi, je suis même à Mexico lorsque qu'on m'a dit qu'on m'a donné Abdou qu'est-ce que euh, vous avez gagné en retour Voilà, moi, je n'ai rien gagné à mon retour ici au Niger. Rien. Jusqu'à aujourd'hui que je te parle là, rien, rien, rien, rien. vous êtes un champion. Oui, je suis un champion. comment expliquez-nous comment pourquoi vous n'avez rien gagné Moi, le moment où j'ai fait mon vélo, j'ai pas fait ça pour argent, j'ai fait ça pour l'honneur de mon pays et pour moi-même. C'est tout. ailleurs, les champions euh, sont des, sont des, sont des riches. Oui. Même, même maintenant, mon, promotionnel qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ils sont tous riches. Les jours où on s'est rencontrés, ils vont me demander Mais qu'est-ce qui a, as devenu Je suis comme ça, moi. Et ils sont bien placés. Vous n'avez pas beaucoup de maisons, beaucoup de... Moi, je n'ai rien, moi, je te dis. Les maisons que j'ai maintenant, c'est une parcelle qu'ils ils ont loti depuis... Tu sais, avant, quand on fait le lotissement, chaque parent a une seule parcelle. Mm. C'est le parcelle là qu'un jour, j'ai demandé les, parents, j'ai dit, cette parcelle là, moi, je veux ça. Je l'ai remboursé, je garde cette parcelle là. Donc, vous avez hérité la parcelle. Voilà. C'est ça. C'est là-dedans que je suis maintenant. En dehors de ça, vous n'avez... En dehors de ça, rien. Rien, rien, rien. Doyen euh, Yajidogo, vous avez consacré euh, toute votre jeunesse euh, pour le rendement notre, de notre pays. En retour, concrètement, qu'est-ce que vous avez gagné Oui, ils l'ont déjà dit, hein. on ne gagne presque rien, on ne gagne rien. Nous, quand on faisait nos activités théâtrales, on les faisait, comme a dit je ne sais pas, c'est Isaac qui a dit. On faisait ça pour l'amour, on aimait ça et pour l'honneur du pays. Tous les festivals auxquels nous avons participé, même les accoutrements des acteurs, c'est nous-mêmes qui les achetons avec notre propre argent, c'est-à-dire ceux qui sont fonctionnaires dans la troupe. Parce qu'on devrait aussi supporter les autres acteurs qui n'ont rien à faire, qui sont des simples tailleurs, des simples, apprentis chauffeurs et des choses comme ça, les griots. Mais nous, on n'avait rien, on ne le faisait pas pour l'argent, il l'a bien dit. Mais c'est l'honneur. Maintenant, on est fiers. maintenant, quand je traverse la ville de Niamey, quand je rencontre quelqu'un, Ah, comment ça va, ça va On a vu votre image à la télévision, c'est très bien, félicitations. Là, on est content. On est content, c'est tout. Mais ça n'empêche, il y a quand même des volontés. Il y en a qui ont fait vraiment des gestes qu'il ne faut pas oublier. À qui vous faites allusion Je fais allusion à Jogol Midi quand au festival de d'IFA, quand nous avons présenté la pièce Talala, le monsieur, il a suivi la pièce du début à la fin. Dès que c'est fini, il dit Ah, ce monsieur-là mérite quelque chose. Il a préparé un billet pour le pèlerinage à la Mecque. J'étais à Difa quand on m'a téléphoné pour dire il y a Jogol Midi qui t'offre un billet pour aller à la Mecque. Je l'ai remercié. Et quand on est revenu, il a dit d'envoyer ou de venir moi-même à Niamey chercher le billet ça coïncidait avec euh, notre directeur de la troupe en ce temps, c'était Yacoub Sadou, le pharmacien de Zender. quand il venait à Niamey, je dis Tu récupères mon billet chez Jagolmidi. » Midi. Bon, il y a d'autres aussi qui ont fait vraiment des gestes qu'il ne faut pas oublier, il faut dire la vérité. Il y a le président Tanja, il faut le dire. Il nous a donné un bus pour le transport de, de nos acteurs. Et il y a encore Kunche. Quand on voulait donc euh, céder les maisons de la cité Faisal pour mettre les, villas en location-vente. À une réunion, Conti a demandé de lui donner dans les villas là trois. Il voulait récompenser trois acteurs. Et c'était décidé comme ça. Donc, c'était d'accord. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Il y a même un ministre qui a couru à la maison me trouver pour dire vraiment félicitations, le président a pensé à vous. Il va vous donner une villa, toi et un tel et un tel et un tel. Je dis très bien. Mais le temps qu'il arrive chez moi, les gens ont déjà renversé la, veste. Ils sont partis dire, ah, euh, on a commencé à chuchoter. Non, mais pourquoi on leur donne à eux des villas Mais c'est des fonctionnaires comme tout le monde. Ils ont un salaire. Pourquoi Non, non, non, c'est pas, pas correct. Kunte a appris, dit, bon, si c'est pour ça que vous faites cette zizanie, gardez vos villas. Je trouverai quelque chose pour eux après. Et c'est comme ça qu'on n'a pas eu les villas de la cité. Voyez et Kunti, quand il a dit je trouverai quelque chose pour eux, il m'a dit un quand il partait à Paris pour ses soins, il m'a dit un je vais à Paris, je vais me soigner, mais à mon retour, je vais voir ce qu'on peut faire pour vous. Il, n'est pas revenu. Ah, il est revenu dans le cercueil. Ah, il y en a qui ont fait. Il y en a qui ont fait. Et voyez, au, théâtre, on gagnerait D'abord, on ne fait même pas de nourrice, car il a, on ne fait pas c'est pas la même chose que le groupe des chanteurs ou des griots. Quand, ça donne bien, là, on, jette l'argent. Nous, je n'ai jamais vu quelqu'un se détacher pour monter sur scène dire Gakali à un acteur. Mais on fait pour l'honneur et parce qu'on aime ça aussi. Et c'est peut-être pourquoi on le fait bien. Issa Kadabori, qu'est-ce qui explique euh, le déclin de la boxe nigérienne aujourd'hui Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Parce que ce qu'on connaît avant, ce n'est pas comme ça maintenant. À vrai la boxe actuellement, il est négligé et il n'est pas supporter. Si par exemple, il y a beaucoup d'anciens boxeurs occupés de, de, la boxe au Niger, mais il n'y a pas de contact entre même le ministère et certains entraîneurs ou, certains athlètes. Aujourd'hui, si vous, vous, regardez tous les sports nigériens, il y a que ceux qui, bouge bougent en paix, le football. après le football, quel sport qui bouge aujourd'hui au Niger Qui connaît le sport qui bouge aujourd'hui au Niger Et là, à part, le football. C'est pour ça, le sport, tout le sport est négligé et les enfants sont découragés. découragés. C'est pas possible. Alors, euh, quel conseil pour faire revivre la boxe au Niger <coughs> C'est pas pour revivre la boxe au Niger, c'est pas, pas la boxe au Niger. Tous les sports doivent, parce que dans le temps, athlétisme, cyclisme, euh, basketball, handball, presque tous les sports marché au Niger. Et pourquoi aujourd'hui sport tu, n'entends pas parler de, de, de sport nigérien. Pourquoi Alors on va passer la parole à Abdou Jibo. Abdou Jibo, pourquoi le cyclisme ne marche pas euh, aujourd'hui Merci. Aujourd'hui, le cyclisme ne marche pas comme à notre temps. Parce que à notre temps, moi, personnellement, personnellement, j'ai fait l'entraînement pour moi-même. Pour, pour moi-même. J'ai pas besoin d'attendre l'équipe pour faire l'entraînement. Mais les jours de compétition, ah oui, je suis à l'aise parce que en ce moment-là, là, au moment où j'étais champion, je travaille à la Périssac. Je suis vendeur là-bas. Donc, arrivé, d'abord, je je, m'habite à l'aéroport. Mais à 2 heures du matin, je, me lève. Je rentre ici à Niamey parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Je rentre à Niamey. Je, je vais chez Abbas, je le, je le appelle. C'est Sidonou. C'est à nous trois là qui font l'entraînement de la nuit. On va à présidence, Yantala, on revenait à Eh, gawe la o ya de lumière là dans la nuit C'est là où on va faire notre, circuit. Après 6 heures du matin, chacun rentre chez lui. Moi, en rentrant chez moi, je me lave, je prends mon habit de travail, tenue de travail. Je monte encore le vélo là, je viens au service. On rentre à 8 heures. Donc, quand on descend midi 30, je rentre dans la douche, j'échange, je, je me mets en tenue de sport. Encore, je prends mon vélo. Directement, je vois à Kokwara d'abord je fais le tour, je reviens à l'aéroport, je me lave, je mange, je me repose un peu. À 3 heures, déjà, je suis sur mon vélo encore pour venir à la Périssac, au service. Quand je suis venu au service, je me mis en tenue de travail. Maintenant, l'entraînement, n'est pas comme nous, nous le faisons. Ah oui. Moi, je le, ce que je dis là, je le fais à moi-même, en personne. Il y a les jours d'entraînement quand tout le groupe va partir. Mais ce que je dis là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, je le fais pour moi-même. Comment faire pour euh, revivre euh, le cyclisme au Niger C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont mis, je crois, l'argent devant eux. Le travail, là, quand tu le fais, là, faut pas mettre l'argent devant. Chaque travail, là, quand tu le fais, quand tu le fais bien, eh, il y a quelque chose eh, derrière que tu vas penser que tu vas avoir. Mais quand tu mets l'argent en avant, je ne pense pas si tu, tu vas faire quelque chose de bon. Alors, on va passer la parole au doyen euh, Yajudogo, pourquoi le théâtre, la comédie ne marche pas bien aujourd'hui comparativement à votre époque Bien, oui, c'est vrai. Le théâtre ne marche pas comme ça, c'est une vérité. Et qu'est-ce qui fait ça C'est le manque d'appui on n'est pas appuyé, on n'a pas de soutien, on n'a rien, on se débrouille, je l'ai dit tout à l'heure. S'il vous arrive un jour d'aller au CCOG pour voir là où nous faisons nos répétitions, vous allez me dire, mais c'est quoi ça C'est par terre, sur des nattes, que nous avons achetées nous-mêmes, voyez-vous. Et maintenant, les jeunes qui veulent faire du théâtre, ils viennent nous voir, je veux faire du théâtre. On dit, il n'y a pas de problème, venez. Mais ils viennent, ils viennent une fois, deux fois, trois répétitions, ils s'en vont. Pourquoi Ils disent, non, on n'a même pas les frais de taxi. Et nous, qui va nous donner frais des têtes On n'a rien. C'est la volonté seulement. Tu veux faire Eh bien, viens faire. Et ce qui a cassé aussi le rythme, le rythme maintenant, vous voyez, c'est difficile maintenant d'apprendre qu'il y a un spectacle de théâtre ou CCOG ou bien à de Sekou. Les gens ne viennent pas voir. Je prends un exemple. Si aujourd'hui on dit la troupe de ou bien la troupe de Dodo Banuzombu ou bien la troupe de Harobanda, ils ont un spectacle de théâtre. Ils vont se retrouver seuls entre eux les acteurs, ils vont jouer, ils vont partir. Il n'y a pas de spectateurs. Il y a beaucoup de communication. On fait de la publicité, mais Mais si on dit par exemple, il y a un comédien qui vient, je ne sais pas, de quelque part, il faut aller voir, pas le CCOJ, mais le palais de congrès le palais du Congrès c'est bourré et demandez-moi à quel prix mille francs la place. Et nous, c'est 100 francs, 200 francs. Parce qu'on se dit oh, que c'est le théâtre nigérien. Euh, d'ailleurs, on va voir ça à la télé. Et c'est ça aussi un autre frein parce que la télé diffuse souvent. Les gens se disent c'est pas la peine de se décarcasser. Un jour, ça va passer à la télé, on va voir ça. Il y a tout, tout ça, c'est des, freins. des freins. Oui. Maintenant, on accuse aussi le Dandelin Soya ou je sais pas comment on appelle ça. Ah oui, la musique euh, nigériane. Oui, c'est la musique nigériane Ça, vous avez bien dit. Mais ils prennent ça pour du théâtre. C'est de la comédie musicale. Hein. Mais quand ils viennent a ces gens-là. Ils quittent le Nigeria pour venir là. Et maintenant, ils sont en train de se préparer pour venir pour la Tabaski. Pourquoi ils ne restent pas chez eux faire là-bas Parce que ça marche ici au Niger Ça marche ici au Niger. Parce que ça paye ici au Niger. C'est ça qu'il faut dire. Mais nous, si ce n'est pas avec le Burkina qu'on a eu des échanges quand ça marchait très bien, c'est pas pour l'argent, mais on avait des invitations au FITD, le Festival international du théâtre et du développement de Ouaga. On va. Mais je vous, je vous dis, il faut aller voir comment les gens apprécient le théâtre nigérien. Alors maintenant, doyen Yajidogo, euh, que faire pour euh, redorer le blason de la comédie ou bien du théâtre nigérien Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, parce que depuis ce temps, nous avons parlé, mais on n'a pas parlé des maisons des jeunes et de la culture. Ces maisons-là sont abandonnées. Il n'y a aucune représentation là-bas. Je garde en souvenir la seule maison, la dernière que j'ai visitée, c'est la maison des jeunes de Konni. Le gardien, lui, a trouvé un dépôt pour son fourrage. C'est là qu'elle entasse euh, c'est Tige 2000, c'est le podium. Parce qu'il n'y a pas de spectacle. Les maisons des jeunes sont abandonnées. Ou c'est peut-être la faute des directeurs qu'on envoie là-bas qui n'ont pas des, initiatives pour faire quelque chose. Et ça manque. Voyez autant de la Samaria, quand il y a des festivals, comment les gens se décarcassent quand on dit il y a un festival à Dosso ou bien un festival à Difa. Le temps qu'ils prennent, le sérieux qu'ils mettent pour préparer ce festival. Parce qu'il y a même des éliminatoires. Et c'était vraiment une organisation impeccable. Hein? Et maintenant, il n'y a plus ça. Les, les acteurs se débrouillent tout seuls. Et maintenant, avec l'arrivée de la publicité, les gens, les jeunes préfèrent faire de la publicité que de faire du théâtre. Parce que la publicité, ça paye, ça paye. Mais le théâtre, si vous le faites, vous, vous faites une pièce d'une heure au niveau de CCOG ou bien de Dia de Sekou. Qu'est-ce que vous avez comme recette euh, Presque rien. Quand vous montez une pièce pour la télévision, je ne vous dirai pas, mais je ne vous dirai pas combien nous enregistrons une pièce de théâtre, celle qui passe souvent le dimanche là. Je ne pas pour combien d'acteurs pareil. Si je prends le cas de ma troupe, nous sommes 15 dans cette troupe. Je prends à peu près un exemple. Supposons qu'on vous donne 200 000 francs pour une pièce. Vous êtes 15. Faites la répartition. Enlevez les frais de, de taxi ou, je ne sais pas, les accoutrements. Il y a des moments où un acteur se retrouve avec 1000 francs. Quelquefois même, il ne gagne rien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière Bon ou mauvais souvenir C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Ça, ça m'a marqué. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous, notre joie, c'est qu'aujourd'hui, quand une pièce, puisque maintenant, il faut parler des pièces qui passent à la télé, dès qu'une pièce, une nouvelle pièce passe à la télé, le lendemain, dans la rue, dès que vous rencontrez quelqu'un, ah, Alhamdulillah, j'ai mon gars, on a vu votre pièce. C'est bien, c'est très bien, du courage. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est très bien, c'est très bien. Et même si on fait deux semaines sans rien voir, on dit, mais, vous là, vous êtes malade ou quoi On ne vous voit plus à la télé. Mais comment on va nous voir si on n'a pas les moyens C'est ça, on veut bien faire. Au moment où je vous parle, on doit avoir un dossier de quatre pièces à réaliser sans compter les sketchs. Et jusqu'à ça fait presque un an que ce dossier est posé, il est là, on ne tourne pas, rien. Par manque de moyens ou bien manque de volonté c'est manque de moyens. C'est vrai, nous, nous n'avons pas notre équipe, nous, nous n'avons pas du matériel pour filmer nos pièces. On est obligé de passer par la télévision nationale. Et très souvent, quand on arrive par la télévision nationale, très souvent, quand nous venons, on est tout prêt à réaliser. On dit non, non, non, il y a un débat qu'on va arrêter. Non, il y a le championnat de lutte, il y a ceci, cela. Donc, attendez. Et à force d'attendre, nous, quand on revient maintenant, on dit on a déjà oublié le thème. Est-ce que vous avez approché le ministère de la Culture On est en contact toujours avec le ministère. Le ministère aussi, il cherche sa peau. Hein. <laughs> il cherche sa peau. Et les autres, les autres partenaires, euh, les grandes ONG au début, au début, on avait vraiment des contacts avec les ONG parce que en ce moment, eux, ils ont compris que ce que nous faisons comme sensibilisation, comme message qu'on transmettait, vraiment, c'était du bien dit. Mais maintenant, il y a des jeunes qui, eux, foutent leur nez partout pour avoir ce marché-là. Pendant... Moi, je ne peux pas me, déplacer maintenant pour aller chercher un marché. Oui, je ne peux pas maintenant marcher tout seul pour dire je vais aller à tel ministère ou bien je vais aller à Orange ou bien à Je ne peux même pas me déplacer. Vous savez, j'ai problème de vision. Alors, euh, Issa Kadabore, euh, que faut-il faire pour que ça marche concrètement, vos propositions Ces ah, problèmes-là, je peux dire que c'est difficile parce que je peux dire c'est le problème de, l'État. C'est l'État même qui, va, qui, qui, Est-ce qu'actuellement, les sports nigériens, il y a combien, combien, combien de, sortes de, sports au Niger Vous parlez du budget euh, ah. du, ministère Oui, actuellement, les équipes de, sport nigérien là, depuis de la boxe jusqu'au dernier sport qu'on au Niger, est-ce qu'il pas ces sport là au Niger Il y en a, ça ne marche pas parce que la, la, la sport, c'est pas suivi quoi. Si c'est pas suivi, c'est pas possible individuel, je peux dire que je, peux faire quelque chose pour le Niger, moi, un pauvre petit comme moi, c'est pas possible. C'est tous ces problèmes-là, c'est, l'État qui a les moyens et qui peut faire, garder ces sportifs-là, mais il ne les faisait pas. Ah, comment faire pour euh, renaître, euh, par exemple, le cyclisme et en général les autres disciplines sportives Merci bien. Tu sais, ici au Niger, il n'y a pas de politique de sport. Il n'y a pas de politique de sport. moi, je me souviens euh, en 85 ou 80. Au temps de Sankara, Sankara là, il prend vélo, il prend le départ avec nous. À 5 km, il s'arrête. On est très content. Tout le monde est content. Quand on fait le tour de Burkina là, il nous invite chez lui-même, chez lui-même pour nous faire des, des, vraiment, il nous invite, on mange ensemble, on rit ensemble. Moi, il m'a l'habitude, il m'avait dit d'aller quand quand tu es arrivé au Niger là, il faut dire à Contier de m'envoyer de kills j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est bon. Et lui, il a mis les sports en ligne directe parce que un jour, il a convoqué tous les sponsors qui sont au Burkina. Il dit, il, a, y a une réunion avec les directeurs, directeurs des sports qui sont là-bas. Ils ont tout venir et il a dit, bon, un toi, tu es directeur de euh, Nigelec, toi, tu es directeur de Orange, toi, tu es directeur de RTL. Bon, vous voulez ce que je veux de vous? Il dit non. Il dit, bon, voilà. Maintenant, il a demandé, toi, le directeur d'Orange, là, tu as une panneau de publicité Il dit oui. Bon, maintenant, ce que je veux de toi, faut pas aller planter euh, au stade ou bien euh, boulevard Malibéro ou bien. Maintenant, je veux que tu prends une équipe. Quand tu prends une équipe là, c'est toi qui, qui sponsor de cette équipe là. Il y a Orange, il y a Ertel Ertel, quelle équipe tu vas prendre Moi, il dit moi, je vais prendre au cyclisme. Orange, quelle, quelle équipe tu vas prendre Je vais prendre athlétisme. Nigel, quelle équipe tu prends Je prends au boxe Ils ont tous réussi leur sponsor. En ce moment, il dit, bon, ce que moi je vais faire pour vous, tout article de sport là, tout celui qui peut amener ça au Burkina n'est qu'à amener sans douane. Il n'y a rien. Tu vois, tu achètes, tu viens, tu vends moins cher à ces gens-là. Maintenant, au Burkina, quel le sport qui ne marche pas Tous les sports marchent. Depuis que Sankara a installé ces, euh, politiques de sport-là, tout marche au Burkina maintenant. Et les gens suivent maintenant sa trace. Alors, Abdou est-ce que, vous avez euh, des mauvais souvenirs euh, dans votre vie professionnelle Mauvais souvenirs, non. Tous mes souvenirs, je peux dire, Racontez-nous un peu rapidement vos, très bons souvenirs. Mon très bons souvenirs, euh, les jours où je me suis tombé dans l'eau au bafouet là. Les jours-là, je ne veux pas oublier ça. Parce que moi, pour moi, c'est fini. Je suis mort. Le vélo là, si tu tombes au goudron ici là, si on ne t'est pas lâché, tu sais, c'est, c'est, avec toi en bas là. Il y a les calepiers et puis tu mets le sentir, tu tires. Quand tu tombes là, si tu n'es pas enlevé, ça ne va pas sortir. Quand je tombe, sur les, ponts. Je me vois tout dans l'eau. Le jour-là, j'ai dit, bon, c'est fini pour moi. C'est fini parce que je suis attaché avec le vélo et on rentre dans l'eau. Comment je vais faire Il n'y a, pas de crocodile dans l'eau Il y a tout dans l'eau. Le jour-là, les gens de là-bas m'ont dit que leur sacrifice même, c'est là-bas qu'ils vont faire ça. Parce que c'est la seule personne qui est tombée et ressortie à l'endroit là. C'est le seul, c'est le seul Nigérien là. Arrivé là où on fait l'arrivée là. Mais tous les Côtes d'Ivoire viennent voir celui qui est tombé dans l'eau là et qui sort. Tout le monde. Le lendemain, là, là où on prend le départ là, il faut qu'ils ont amené des gardes et les polices, des militaires pour pour pouvoir faire l'espace là pour qu'on compasse. Tout le monde va voir Abdou C'est parce que ça n'a jamais été fait. Il y a des journalistes qui ont tombé là-dedans, ils n'ont pas été cherchés, ils ont mouru là-bas. Il y a des télèmes, il y a tout dans cette loi-là. Et il n'y a personne qui est tombé là-dedans et est sorti sauf moi. Alors, Issaka d'abord, est-ce que vous avez euh, des, mauvais souvenirs dans votre vie professionnelle Oh, toute façon, à la boxe, euh, à la boxe je, peux dire que c'est un, un sport, comme le cycliste. le cycliste c'est la boxe, on peut dire un sport individuel. C'est la personne même qui, qui, qui prend son, engagement pour rentrer là-dedans. Et veut faire quelque chose. Mais c'est pas possible. Même si tu peux faire, tu sais ça, faire quelque chose. S'il n'y a pas d'aide, celui qui va t'aider, quelqu'un qui va te tenir, c'est pas possible n'est-ce pas qu'on fait dans, dans, certains pays, vous, vous, attendez les, les noms de, ces sportifs-là, ils, ils, ils, ils, ont été suivis par leur, leur, leur, leur pays, leur pays. Or oh, c'est pas, ça. C'est pas, pas ça. Qu'est-ce que vous venez nous raconter sur euh, Issa Kadabore et Abdou Jibou il y, a beaucoup de choses à raconter sur Issa Dabouri, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu depuis que j'étais, je sais pas, quand je revenais des études. En ce temps-là, je n'aimais pas la boxe, pas du tout, du quoi. Tu te mets, enfin, on te donne des coups à la, à la bouche, on te casse des dents, tout ça là. J'ai non. Mais après, j'ai fini par aimer la boxe. Je me rappelle, là au Boxing Club, son supporter, son meilleur supporter, c'était Djambala Mega. Eh, Le jour où d'abord il boxe, Djambala, même s'il n'est pas à Niamey, il faut il dit d'arrêter, il, arrive que ça ne commence pas son combat, euh, qu'il arrive. Et quand vous êtes à côté de Gambala, vous recevez des coups. Parce qu'il imite Dabore qui, qui, qui, boxe là-bas. Il dit Amokanda !» Il aimait ça tellement. Alors, si vous êtes voisin à Gambala, à côté du. Euh, pendant le match, tous les coups que euh, Daboré donne, il vous donne ça. Il pense qu'il est en train de boxer lui-même. Oui. Et, mon frère, le cycliste. Moi, je n'ai jamais aimé le vélo. Bon, maintenant, je ne vais pas montrer mes pieds quand j'apprenais à monter à vélo. <laughs> le coup de pédale que j'ai, c'était les anciens vélos là, avec les pédales, avec euh, des trucs, les pédales en dents de scie là. Quand ça arrive, ça tape sur euh, le tibia là. Mes, mes, tibias là sont ornés de plaies maintenant. <laughs> je ne peux même pas montrer ça aux gens. Mais c'est des gens que j'ai beaucoup apprécie. Et comme de malheur, quand je suis arrivé à Zender, on dit ah, il nous faut quelqu'un pour accompagner les cyclistes à Niamey. on dit ah, tu vas partir avec les cyclistes. Je suis venu avec une équipe de, de Zender, là je ne me rappelle plus les noms, il y avait les Tergal, les des, jeunes coureurs là. Et c'était très bien. Je me rappelle quand ils viennent où sont les cyclistes de là Ils sont entre eux, ils se chamaillent, ils, se, blaguent. il y a des jours, je me rappelle, plus il est venu un jour dire Où sont les cyclistes de Zendela Allez, venez, on va vous montrer comment on pédale. Et il les a pris tous, ils sont partis. C'est juste pour faire un tour de vélo sur la route de Dosso. C'était très sympathique. ces gens-là, je ne peux pas les oublier. Issa Kadabore, vous connaissez aussi Yajidogo. <laughs> Qu'est-ce que vous retenez de lui Ah, mais Yajidogo, vraiment, je peux dire que <laughs> le, moment qui, fait, c'est. C'est théâtre, sa, sa comédie. Ah, qu'est-ce que vous voulez Qui va, qui, l'oublier Moi, je sais pas, je, crois même si <laughs> vie. La pièce que vous gardez à mémoire, du moins La pièce. Si tu es un peu les ah, ah, pièces. Allez-y, euh, rapidement. Les, pièces, il y a Sarki euh, a Sabka Girman Kairon là où on dit celui qui se lève le premier va mourir. Ah Oui. Et puis il y a Kankili, le, gars qui dit au chef que, comme son père est mort, qu'il a parlé avec son, il a communiqué avec son père, qu'il va revenir. Et le prince a dit non, non, qu'il reste là-bas parce que s'il revient, il va me bousculer. Il y a des pièces comme ça, comme. Euh, bah, ça ça c'est une pièce de, de <laughs> siasa. Il y, a, aussi les, les pièces de, de Tante et Sourire. De Tante et Sourire, le crapaud jazz, l'orchestre crapaud jazz, Kayemia. Kayemia. Vous vous rappelez de ça <laughs> ah, <laughs> qu'est-ce que vous retenez euh, de lui moi, ce que j'ai retenu de Yajidogo, là où il a dit, tout celui qui se levait première fois va mourir aussi là. Ils sont en train de rafler les gens. Personne ne lève debout. Personne. Ils sont en train de rafler tout le monde est parti comme ça. Moi, c'est ça, qui me plaît très bien. Voilà. Ça me plaît. Euh, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Issa Daboré, ancien champion du Niger en boxe, également premier Africain à avoir arraché une médaille de bronze euh, lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Abdou ancien champion du Niger en cyclisme qui a remporté plusieurs compétitions au plan national et international. Nous étions également avec euh, Yajidogo, enseignant à la retraite, euh, comédien, écrivain, bref, euh, homme de culture. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure. Au revoir.